Bonjour chères auditrices et auditeurs du studio Kalangou, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette émission Le Niger sur Kalangou. Nous sommes mercredi 31 mai 2023 et il est 11h à Niamey. Au micro, je suis Ali Moukela Ousseni alias Seno et à mes côtés Tou Abdurrahman. Bonjour Ruki. Bonjour Seno, je vais très bien, Dieu merci. La technique d'aujourd'hui est assurée par euh, Seine Isaka et à l'édition nous avons Adama Dawaki. Alors Seno, qu'avons-nous au menu ce matin Eh bien, Rookie, nous commençons par le flash, euh, comme d'habitude. Euh, un très bon cocktail de musique nigérienne sera également au rendez-vous. Dans la rubrique Écho des régions, nous irons à Tawa, précisément dans, le département de Koni, où le préfet nous brosse un peu la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans ce département. Il y aura également la page sport, la culture linguistique, le loti, sans oublier la rubrique hebdomadaire qui parle environnement tous les mercredis. Notre invité de ce matin est le président de l'association Rassemblement des jeunes Oser l'avenir et la scolarisation de la jeune fille dans les zones les plus reculées du pays sera au centre de nos échanges. Sans trop tarder, voici le flash d'information présenté par Nafissa Tou Adamou Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Ruki, bonjour Seno. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Ce jour 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac avec pour thème cultivons des aliments, pas du tabac. Cette journée vise à rappeler les dommages écologiques mondiaux à long terme qu'engendrent la culture et la production du tabac et le rôle préjudiciable qu'ils peuvent jouer pour l'avenir de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Question santé toujours, une campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida a été lancée hier dans plusieurs instituts et grandes écoles de Niamey. C'est une initiative du programme national de lutte contre le sida qui vise à sensibiliser et prévenir les jeunes sur les dangers de cette maladie, car selon l'institution, la jeunesse constitue la frange la plus vulnérable face au VIH-Sida. 921 écoles sont actuellement fermées dans la région de Tilaberi contre 817 en octobre 2022. C'est ce qui ressort d'une visite de supervision effectuée dans la région par le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Ibrahim Natatou. Les raisons avancées sont les attaques répétées des groupes armés terroristes dans cette région située dans la zone des trois frontières, à savoir le Niger, le Burkina et le Mali. Et plusieurs alternatives seraient envisagées par les autorités, dont certaines sont en cours de mise en œuvre avec l'appui des partenaires pour remédier à cette situation. C'est la fin de ce flash. Merci Nefissa. Reste avec nous pour accueillir notre invité. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous parlerons dans notre entretien du jour euh, de la scolarisation de la jeune fille avec Ben Ouseni Abdulaziz. Il est le président de l'association Rassemblement de jeunes Oser l'avenir. Bonjour Monsieur Ben Ouseni et merci de nous avoir honoré de votre présence à cette émission. Bonjour. Bonjour Avant de vous donner la parole, nous allons d'abord écouter cette première balade musicale pour se mettre en selle et retrouvons le titre Asia de l'artiste Ali Achibili avec son groupe Haske Star. like a wool and a Baka samu tumba na da dashi sai bayana Sai ka sa kira, ka sa kira wani bayana Sai ka sa kira, ka sa kira wani bayana Sanyi mai yanke zafi, zafi mai yanke sanyi shi mai yanke ya raba ni da wadani sani ya dama sani ya bar mu tunanin shi na na zuciya shi na na mutum sai Allah na yabo baka samu mutum bana da daɗi Ta'azia qui veut dire condoléances en Hausa. Dans ce morceau, Ali rend hommage au feu Sania Boussa, également artiste chanteur de la même région. Oui, le groupe d'Ali Akibili Star est créé en 2008 et s'inspire du rythme traditionnel des Gambara, une musique locale de la région de Jander. Star chante la paix, l'amour et les thèmes d'actualité. Leur musique est dansante, conviviale et invite un à la fête, à la joie. Dans leur texte, ils sensibilisent la population sur la vie en société. Nous invité Ben Ousseini Abdelaziz, président de l'association Rassemblement des jeunes Oser l'avenir. Il promeut la scolarisation des jeunes filles dans les zones reculées du pays. Pour commencer, Ousseini, faites-nous une brève présentation de votre structure et dites-nous les raisons de ce choix de l'éducation des filles. Ok, merci Ruki, merci Et Avant de commencer, je vais je remercier Studio Kalangu pour l'intérêt et la contribution qu'elle donne aux associations des jeunes, y compris à la jeunesse en général aussi pour qu'il vienne s'exprimer eh, sur les questions d'actualité du pays. Merci. Eh, l'association Rassemblement des jeunes Oser l'avenir est une association qui habite but non lucratif, et eh, qui a été créée depuis 2019. Et une association qui intervient euh, dans presque quatre domaines éducatif, culturel et sportif environnement et aussi la question de la santé. Ok. Voilà. Ça en fait. Ok, alors euh, vous disiez hein, avoir euh, récemment mené euh, des activités dans un village dans le département de Bouza, région de Hein. C'était bien évidemment lorsque nous étions en train de préparer cette émission. Alors pourquoi ce village en particulier Pourquoi le choix de ce village en particulier Voilà. comment dirais-je La raison pour laquelle euh, nous avions effectué cette activité euh, dans le département de Ouza, commune rurale de Tabotaki, mhm. euh, c'est parce que nous avons des partenaires ressortissants qui ont aussi la notion, la connaissance mhm. du village. Ils nous ont exprimé le problème mhm. et ils ont dit que et ils vont soutenir l'association pour qu'on puisse réaliser ce genre d'activités dans les départements. Ok, d'accord. Alors, euh, on continue toujours avec euh, nos questions. Euh, est-ce que vous avez eu à faire d'autres actions similaires, par exemple, dans des zones comme Tilaberi où certaines écoles sont fermées, ou bien vous avez une région cible Nous n'avons pas une région cible parce que c'est une association nationale. Ok. Donc, ça concerne toutes les huit régions du Niger. Ok. Voilà. Donc, à, ce qui concerne la région de Tilaberi, mhm. il y a un programme même qu'on est en train de préparer. D'ici le mois de septembre, mhm. nous allons essayer d'effectuer des visites dans, les, les trois communes, mhm. y compris le département de Tera. Voilà, nous allons essayer d'effectuer une activité Mhm. Ça concerne l'éducation, mais pas des jeunes filles en particulier. C'est l'éducation en général même. D'accord. On va essayer de recenser les problèmes et on va essayer de mobiliser euh, les jeunes du département. Alors parle-nous déjà de cette activité que vous avez y amenée euh, dans la région, euh, au, niveau du département de Bouza, c'est ça Donc mhm. parle-nous un peu de cela. Comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous avez apporté à ces jeunes filles qui se retrouvent dans ces zones-là donc, euh, nous, ce que nous avons apporté, on a échangé avec euh, les parents d'élèves, on a échangé avec les administrations, mhm, mhm. on a échangé avec les administrations, mhm. on a échangé aussi avec euh, les maires de la commune même. D'accord. Voilà, à laquelle nous avons recensé les problèmes qui empêchent les jeunes filles de continuer leurs études. Et quels sont ces problèmes-là Le problème est que il y a des villages, mhm. des hameaux aussi. Mhm. Ils ont, euh, comment dirais-je, euh, études primaires, du CI jusqu'au CMD. Mhm. Voilà. Donc, euh, après l'obtention de votre certificat, donc, pour aller dans l'autre, au niveau du département ou bien du commune, ou bien de, la région, de de la commune, à Niamey pour continuer votre étude. Là, c'est là où que ça pose les problèmes. Ok. Le problème est que euh, les, parents d'élèves mhm. ne peuvent pas laisser leur enfant, mhm. plus précisément une fille, d'aller dans l'autre euh, village ou bien région. Dans la commune ou dans le département, ok. Pour continuer son étude. Hmm. Ça, c'est un grand problème. Ok. Voilà. Parce que euh, moi je vois que tout ce genre de problèmes, eh, c'est ce genre de problèmes qui provoquent les mariages précoces. ce qui amène les mariages précoces parce que les parents ne peuvent pas accepter assez que leur fille est chez elle, elle ne fait rien. Tant qu'il y a quelqu'un qui demande son main, ils vont leur donner. Ok, d'accord. Et vous avez réuni les parents d'élèves, vous connaissez maintenant les problèmes. Et que prévoyez-vous dans un futur proche pour ces filles dans les contrées les plus reculées Voilà, ce que nous prévoyons hmm. est que c'est une association. Nous n'avons pas cette force de pouvoir construire mhm, mhm. des écoles euh, dans, dans, leur village. Ok. Mais nous, toujours notre appel, tant qu'il y, a les problèmes qui nous dépassent, mm. toujours nous créons des conditions pour avoir une chaîne d'information, mm-hmm. par exemple ici même à Studio Kalangou, mm-hmm. pour qu'on puisse dire, pour que l'État puisse attendre entendre ce qui se passe. Donc, euh, vous faites remonter ces différentes euh, informations recueillies au sein euh, de ces villages mm. auprès des autorités compétentes. Exactement. OK. Exactement. Et eh ben, avant de continuer, faisons une petite pause en musique. Je vous laisse savourer ce morceau Sabou de l'artiste Fiak Si. Merci. You go feel I know she say. Jimmy, Jimmy, more ah, nigga mad dog is I'm saying this in the nose. You want to see? Nigga man, you no go cause him be a bad like that. Can I jangle nobody fall on tea? I full get quite to the bori. But the consequence of my appointment ah. to Ria Dinganye, so I'm going to say, Ban, someone you was in the joie qui m'accueille. Oui, elle m'accueille. C'est la joie qui m'accueille. Je me bats fort pour ce que je veux, mais je m'accroche à ce que j'ai pour être heureux. Ma famille, mes amis Et eh oui, Sabou Babagod, euh, chers euh, amis auditeurs, auditrices, euh, lorsqu'on a la santé, il faut tout simplement rendre grâce à Dieu. À l'état civil, l'artiste Fiaxi se nomme Sénat Fiacre. Son nom de scène donne une idée du caractère électrique de l'artiste Fiacre qui est le diminutif de Fiacre. Ici, un nom emprunté aux ethnies Zarma Il est comédien, musicien et slameur, fiakrmani bien divers instruments de musique. Il est aussi formateur en création artistique. C'est un touche-à-tout. En tout cas, c'est un touche-à-tout. Mesdames et messieurs, nous sommes avec euh, Ben Ouseni Abdelaziz euh, qui, je vous le rappelle, est le, président de l'association Rassemblement des jeunes euh, Oser l'avenir. Il s'intéresse à la scolarisation des jeunes filles. Alors, euh, Ouseni, dites-nous, selon vous, les jeunes filles sont assez scolarisées euh, dans les zones où vous intervenez Donc, merci. vraiment, selon les recensements qu'on a pu faire, mhm je vois que la majorité des jeunes filles mhm. ne sont pas assez scolarisées. Ok. Dans la commune rurale de Tawoteki. Vraiment, ça reste beaucoup de choses. Parce que la majorité, même, ce sont des jeunes euh, garçons que vous allez retrouver même dans la salle. Hmm. Les jeunes filles, si vous avez demandé, on va vous dire que, elles vont vous dire que non, elles se sont mariées. Ok, et est-ce qu'on peut dire que euh, vos actions y sont pour euh, quelque chose Tout à fait. Mm. Parce que, euh, comment dirais-je, les parents d'élèves, mm. par rapport à, à l'attirance et le conseil qu'on a pu leur donner, mm-hmm. ils ont pris les choses au sérieux. On leur a montré c'est quoi l'importance de cette éducation des filles. Parce que nous tous, nous savons que l'éducation des jeunes filles, eh, l'éducation d'une fille, c'est l'éducation de toute l'humanité. Parce que tant que vous avez bien éduqué une femme, donc c'est elle qui va, eh, comment dirais-je, éduquer vos enfants. Mhm. C'est elle-même qui va éduquer toute la société. C'est ça. Eh bien, Ben Ousseini, merci infiniment d'être passé nous voir dans cette émission en espérant que vous avez aimé le temps passé avec nous. Excellente journée à vous. Encore, merci beaucoup. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. À présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire. Nous sommes mercredi et justement, nous allons parler de l'environnement. Oui, Ruki, le Niger compte plusieurs sites inscrits sur euh, la liste des zones humides d'importance international. Selon les services de l'environnement, il existe une convention appelée Convention Ramsar qui a pour objectif la conservation et le développement durable de ces zones. Cependant, le contrôle reste difficile dans certaines parties du pays. Colonel Ibrahim Madougou de la direction de l'environnement, point focal de la convention Ramsan au Niger, nous en dit plus euh, sur euh, comment se fait la surveillance de ces sites pour qu'il n'y ait pas de surexploitation des propos recueillis par Rahilatu Soumana. La convention comme ça n'est pas une convention contraignante comme les autres conventions qui empêchent l'utilisation des ressources. La convention comme ça accepte l'utilisation des ressources de manière rationnelle et durable. Donc, euh, on n'empêche pas aux populations de s'adonner à leur activité quotidienne, notamment le jardinage, la pêche, mais il faut que ça soit réglementé. Nous les autorisons à le faire, mais nous mettons des incitations également pour qu'il y ait moins d'impact négatif sur ces différents écosystèmes. À part ça aussi, il y a des activités que nous menons en aval, notamment tout ce qui est fixation de dunes pour limiter l'eau de ruissellement dans le point d'eau, donc tout ce qui est aspect de plantation et de regarnir au niveau en aval donc, euh, que nous faisons avec les populations locales. Mais est-ce que vous arrivez vraiment à contrôler ces sites-là pour qu'ils ne surexploitent pas ce qu'ils ont autour d'eux Oui, en réalité, dans la plupart de ces zones-là, nous avons ensemble avec eux un plan d'aménagement et de gestion, bien que bon, il y a beaucoup de ces plans de, de gestion qui sont caduques. Nous avons un plan de gestion où euh, nous, nous avons ce que nous avons à faire, nous, en tant qu'administration de tutelle de concert avec les ONG, mais les populations également prennent des engagements pour gérer de manière durable et de manière efficace ces zones humides-là. en principe, donc, chacun joue son rôle et dans la plupart des cas, s'il y a des difficultés de gestion, euh, les populations viennent vers nous et nous, nous avons l'obligation d'aller vers eux pour discuter et trouver des solutions s'il y a des problèmes qui minent la gestion de ces zones humides-là. Deux fois, ils viennent vers nous, surtout quand il y a des exploitants qui ont des grands moyens qui viennent pour exploiter les là vraiment. Et même la convention, elle est regardante par rapport aux grands investisseurs qui viennent pour exploiter ces mares-là. Et là, euh, l'État intervient pour réguler pour que euh, vraiment ces activités-là n'aient pas beaucoup d'impact négatif sur ces zones humides en tant que telles. Et nous tenons régulièrement des réunions de sensibilisation et d'échange pour que à long terme ces zones humides puissent exister. C'est ça vraiment l'importance. Parce que je vous disais tantôt que la mare de, de Tabalak est en train de, de disparaître. En réalité, c'est la population qui perd. Parce que s'il n'y a plus d'eau, eux qui pratiquent l'agriculture, eux qui pratiquent la pêche, l'élevage, les activités ne pourront plus se réaliser comme d'avant. Donc, ils viennent vers nous, on discute vraiment de manière euh, un peu pour trouver des solutions donc, à ces difficultés-là qui se posent pour la gestion. Vous avez parlé tout à l'heure de la zone vers le parc du W. Nous savons que ces dernières années, cette partie du Niger euh, est en proie à l'insécurité. Euh, je ne sais pas comment vous faites euh, pour mener vos activités. Est-ce que ça impacte vos activités oui, en réalité, l'accès au parc, il est quand même difficile ces dernières années. Bon, nous avons aussi une stratégie <laughs> d'intervention que nous menons. Il y a des parties que nous pouvons, que nous avons la chance de pouvoir visiter. C'est du côté fleuve. Et du côté fleuve, quand même, de, de temps en temps, nous avons des équipes que nous envoyons pour sensibiliser la population et pour réaliser certaines activités dans le cadre de la gestion de ces zones humides-là. Petit à petit, certainement, quand la paix reviendra, nous aurons accès aux autres parties qui constituent à peu près les deux tiers du parc. Mais bon, actuellement, on arrive à travailler sur, sur un tiers. On n'a pas encore baissé la main. On est toujours là. C'est notre pays, donc on n'a pas le choix d'abord l'ensemble de la population qui vit aux alentours du parc de Nous sommes avec elle, nous, nous travaillons ensemble avec elle dans le cadre de la gestion de ce patrimoine-là unique au Niger, hein, qui possède à peu près 80% de la biodiversité du Niger. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Si vous venez de nous capter, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu et ça tombe bien, vous allez danser au son de Idi Sarki intitulé Namba Namba. mesdames et messieurs, Ibrahim euh, Adamou alias Idi Serki chante et joue également de la guitare. Idi Serki s'est véritablement lancé dans la musique euh, en 1996. Il avait environ 17 ans. C'était avec euh, le groupe de rap Revenant Pussy qui deviendra un Joroji avec l'arrivée de l'artiste Kamikaze Liman. En 2002, dans un style purement rap tradit moderne, ils mettront sur le marché deux albums, à savoir Prélude en 2002 et Légende en 2004. Et oui, dans cette même année, il se lance en solo et sort son premier album euh, intitulé Manigo en 2006. À 41 ans, Idi Serki est aujourd'hui l'un des artistes qui fait bouger son public avec sa voix d'or. Sinon, on passe à l'écho des régions direction Tawa, plus précisément dans le département de Koni, pour parler de la situation sécuritaire. Oui, dans la région de Tawa, le département de Koni, frontalier avec euh, le Nigeria voisin, tout comme euh, sa partie qui fait frontière avec le Mali, est confronté à une situation sécuritaire instable. Cependant, les autorités et les forces de défense et de sécurité mènent des actions pour lutter contre ces phénomènes. Le préfet de Koni, Galissoun Ilili, nous en dit plus au micro de Moutari Mohamadou. Je vais tout d'abord euh, vous présenter d'une façon succincte le département de Birnoukouni. Le département de Birnoukouni couvre une superficie de 4017 km, répartie entre quatre communes. La commune urbaine de Koni, la commune rurale de Bazaga, la commune rurale d'Alela la commune rurale de Tsarnawa. Vous avez sur la bande sud du département l'état de Sokoto au Nigeria, avec qui nous partageons une longue frontière avec en tout cas des opportunités commerciales florissantes. Ces activités commerciales et les va-et-vient des populations sur la frontière entre les deux pays sont impactées par des attaques de bandits à main armée le long de la frontière. Nous avons constaté ces derniers mois une accalmie sur l'ensemble du territoire du département. Nonobstant des cas isolés d'enlèvement de bétail par des bandits armés, mais qui sont à chaque fois traqués par nos forces de défense et de sécurité pour les mettre hors d'état de nuire. Quelles sont les actions pour lutter contre cette insécurité et comment aider les populations à surmonter cette situation Pour euh, la résilience euh, de la population, en plus de ce que l'État fait, qui est très énorme, nous avons l'appui de nos partenaires stratégiques. En plus de cela aussi, euh, notre département bénéficie depuis 2021 des appuis de la haute autorité à la consolidation de la paix. Cet appui nous a permis d'organiser des réunions élargies avec les chefs traditionnels, avec le maire, les chefs de village, les chefs de tribu. Ça nous a permis aussi d'organiser des caravanes de sensibilisation donnent les résultats immédiats ont été les rapprochements de populations avec les FDS. Est-ce que ces sensibilisations et caravanes donnent des résultats Ces caravanes nous ont permis d'instaurer un climat de confiance et de collaboration ayant abouti au démantèlement de plusieurs bandes de bandits et autres malfaiteurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Ruki, poursuivons avec euh, Adam Sariou pour euh, la page sport. Bonjour Adam. Bonjour Seno. Ça va bien Oui, ça va, ça se passe bien. Nous ouvrons cette euh, page sport avec le championnat du monde des taekwondo qui se poursuit à Bakou en Azerbaïdjan, c'est ça En Azerbaïdjan. <laughs> voilà. Alors oui, comme annoncé hier dans la rubrique sport, les rencontres ont débuté lundi et six athlètes nigériens participent à cette compétition. L'un d'entre eux, Nourdin Isaka, a fait une belle performance en gagnant ses trois premiers combats. Malheureusement, notre ambassadeur a été éliminé au quatrième combat en quart de finale. Adam, avec euh, le, après le taekwondo, parlons à présent du championnat national du ballon Oui, Ruki. À la fin de la 20e journée, c'est toujours l'AS Garde nationale qui est en tête du championnat de la Super League avec 41 points et l'AS Police deuxième avec 36 points à 8 journées de la fin. Madame, nos auditeurs aimeront probablement savoir euh, les meilleurs buteurs de ce championnat. Alors là, c'est un peu l'inverse par rapport au classement des équipes. C'est l'attaquant de l'AS Police, Murtala Yahya, qui mène la course avec 11 buts. Imran Seni de l'AS Fan et le jeune Ibrahim Oumarou Danja de l'Espoir FC de Zander ont 7 buts chacun. Suleiman Hamou Abdoulaye de l'Espoir FC également et Théophile. pardon, autant pour moi, du GST de Tawa avec 6 buts. C'est tout pour aujourd'hui, Ruki. Merci infiniment, Adam, pour toutes ces informations sportives. Notre rubrique Portrait du jour met la lumière aujourd'hui sur un tradit praticien du nom de Mahamadou Maman Di Namata. Notre reporter Omar Hamma est parti à sa rencontre pour et

fa hen no mba ko darta dabbaji kanen ko filla ɓaleɓe fa hen no miɗo hokka safari dow majjum e tataɓel muɗum miɗo jangguina he ɗengal fulfulde ko miɗo jangguina latin on woɗi miɗo wawi jangguina he adlam kadi e gaɗa majjum miɗo hakkili he suudu kosam do gadjet suudu baba waɗi joni hano waɗi duuɓi jeɗɗi komin woni responsable suudu kosam ɗo henda har ko darta filla golleji ɗi gonɗa hen e wadde ɗi saɗormaji ɗi e gonɗa aɗa yiya nder mum arande fuu mi adan har filla safariji ɓaleɓe ɗen hono saɗɗaji gonɗi ɗon e goni hano no woodi wakkatiji gon ko hano loktoroɓe bonnodda tan min mbiya min nani saɗɗormaji ɗi laatiɗi no hani min kakkili hoye majji sanne e ɓe pirtanamen koye dow majjum ɗum watta tawede soni hunde noon ko a wowta waɗi illa wakkati on fuu aɗa andi toye dillata jomum yaaha soni ko bawta wadde dunon fuu a waɗa engagé gaɗa gaɗa gaɗa ɗum ɗo enna e ɗiɗaɓel muɗum no woodi hano e jangguinol jangguinol andi jangguinol mawɗo kay no no woodi saɗɗaji sanne tiley sey gaɗa sees fa tawede jomum faama e fa hannen ko darta filla kosam ɗan du hano saɗaji gonɗi ɗon en ɗi woni hano degon en ɗum wakkati dabbune he dungu no woodi saɗaji sini ceeɗu wari fuu wakkati on kosan ɗan ɓuraji ɗe te wakkati on ɗuwon ɗan wala nder golleji ɗi a wala aɗa hebda caɗale har tokkoreji maɗa saabu aɗa gollida worɓe e rewɓe sini jom wurtiki illa fajiri tawi sai 22 heures ko kota degon a tawan cukalo ɗaniki ɗum ɗum degon en no nawaka mi wala fu nanen neɗɗo watta tunda ko, ko wallata wuro gonɗa aɗa wadda so fareji fina tawaɗi connataɗi tawagal noon nanoy ko tawmin gam mi tawi dottijo an mo waɗa filla safare ɓaleɓen fa hen tan kanko woni hoorejo no hawrine sonnoɓe safare ɓaleɓe illa 87 fa 2012 wakkati o laati fuu kanko woni hoorejo gada majjum minen du min bawta acci ɗum ɗum yahano minen du miɗen jogiri ɗum en nan minen keɓa dow majjum duuɓi foti puɗɗirɗa golle ɗe hono safaade ɓaleeɓe hakkay ko tawmi wurno to illa min ummi fudde majjunni min goni har ko darta filla kosam kosam du wakkati fu miɗen tawade nder kosam tunde nder koɗe nayi min ummi har jannginolgol illa 98 min gaɗi créé gagel na ko 2001 komin kaɓi arrêté officiel mo mo gagel gaɗa majjum illa ko yawti nder 2002 min keɓi financement e coopération française ɓe adimi ɓe gadi min formé famin jangina pulari ɓe gam min andi ko heewi sanne janggay wakkati on min naati ɗum mi ana goɗɗum min e kokkete ko mawni min mbiɗu to watta lebbi jeegoo ɓe min jangin ɓen fuu no wawi winde inde muɗum en no wawi goɓɓe ma aɗi ɗum gadi gollal nafakaji ɗi e hen keɓuɗa nder golleji ɗi nafakaji kewi sanne to dasani allah waɗi nder gollal maɗa fa a heeɓi a luwata ko aɗa jooɗi ala déjà ala alhamdulillah aɗa jogui famille maɗa no woɗiri Merci Omar Hamma pour ce beau portrait en langue fulfulde. Chers auditeurs, pour notre toute dernière balade en musique dans cette émission, nous vous proposons Aïe de l'artiste Kitari. Negritude Record. Ayau oh, kiaminche nirekeza muyo oh, rayuwa amana mukai kuma muntabatara daita yau auramu oh, Muadu adu zuciya yau aurenmu zuciya ta da farin muadu raiwa Aye, aye aye yau muadu raiwa rayuwa aye aye aye yau mu haɗu aye, aye rayuwa Souviens-toi de ce moment où nos regards se sont croisés. Tout autour de nous, tout s'est arrêté comme par magie. I not give, na give, na give my heart, oh. I not give, na give, na give my heart, oh. On est mariés, ciao jaloux. Notre nid d'amour n'est plus qu'à nous. る愛は Voilà, Aïe, cher ami auditeur, auditrice, euh, c'était là l'artiste Kitari. Nous poursuivons cette fois-ci, euh, Ruki, avec euh, le loti, n'est-ce pas Oui, c'est nous. Et le loti d'aujourd'hui évoque l'importance de faire périodiquement la lessive de son linge de maison. Et cela pour éviter les conséquences que la poussière et la saleté pourraient engendrer, n'est-ce pas, Samira Rouafi et Rekia Arimi Affairage, affairage, affairage, affairage. Coq, Coco voisine. Bonjour. voisine, bienvenue voisine. Comment vas-tu cela fait un bout de temps que je ne t'ai pas vu dans ces parages. Effectivement, j'étais un peu occupé par mon boulot. Mais dis donc toi là, à chaque fois que je viens ici, je te trouve en train de faire ta lessive. Si ce ne sont pas des draps, ce sont des serviettes ou des rideaux. Tu n'as rien d'autre à faire que ça Mais j'entretiens ma maison, c'est tout. Et tu sais que j'aime le propre. Qui n'aime pas le propre Pas toi apparemment. Bref, je voulais juste que tu saches que c'est important de laver son linge fréquemment. Hey, épargne-moi tes histoires là. Tu regardes trop la télé, ma chère. Moi, je fais ma lessive tous les deux mois. Vêtements, serviettes, draps, tout, tout, tout quoi. Et il faut dans deux mois encore. <laughs> Et tu t'es dit coquette. Hum, laisse-moi te dire, voisine. Nous vivons en ville et il y a trop de poussière avec plein de particules jusqu'à dans nos maisons et ces poussières peuvent être nuisibles pour notre santé. Mais que veux-tu que je fasse Laver tous les jours mon linge, comme quelqu'un qui a la diarrhée ou qui fait pipi au lit. Je n'ai ni la force ni le temps pour ça, vraiment. C'est pour cela que, si tu as constaté, tous mes draps sont de couleur chaude. Rouge, violet, orange, on ne voit rien, même s'ils sont sales. <laughs> Kazama, tu veux tromper qui Écoute, les particules de poussières s'accumule très rapidement et pollue nos maisons. Et attendre trop longtemps avant de changer notre linge peut favoriser la prolifération des acariens qui peut provoquer des problèmes respiratoires, voire même des allergies. Allergies Mais attends, c'est sérieux ce que tu me dis là Bien sûr c'est pourquoi les spécialistes recommandent de laver nos draps tous les 7 à 10 jours parce que les draps et les têtes d'oreiller accumulent des particules de sueur, autres sécrétions de la peau et des tas de cellules mortes. C'est logique en plus ce que tu dis, mais je n'ai jamais pensé à cela. Attends, ce n'est pas fini. Tout ce que je viens de te citer peuvent causer des irritations ou favoriser l'apparition d'acné sur ton visage. Mais c'est peut-être ce qui est à la base de mes boutons là. Ah, c'est toi qui connais les niveaux de salissure de ton linge. En faisant la lessive, n'oublie pas tes serviettes. Il faut les laver au moins une fois par semaine. Gassa, toi là vraiment. Je n'ai pas fini encore. Tes rideaux noirs, noirs façon là, qui sont devenus je ne sais quelle couleur, pense à les changer. Deux ou trois fois par an suffit. Voilà, c'est mieux comme ça. Fainéante, va. Donc toi-même, tu reconnais que tu ne fais pas d'efforts pour rendre ta maison propre. Tu veux dire que je suis sale En tout cas, tu n'es pas plus propre et coquette que moi. <laughs> si seulement je pouvais te regarder à travers un microscope. Ne te moque pas de moi. Hein. Et surtout, ne va rien raconter à mes belles soeurs là. Je vais suivre tes conseils dès ce week-end. Ah, là, tu as intérêt, hein <laughs> Voilà, c'était tout simplement le loti euh, du desk femme du studio Kalangu. Chers auditeurs, dans ce studio, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Moussa Hassan. Il est journaliste traducteur en zarman au studio Kalangu et il va nous parler du chapeau traditionnel en paille, comme nous l'a demandé un auditeur en français d'abord, puis en zarma. Bonjour Moussa. Bonjour c'est nous. Euh, comme euh, tu l'as si bien dit, aujourd'hui nous allons parler du chapeau traditionnel de paille tressée. Il est réalisé à la main avec des feuilles de palmier doum, appelées en bonfandou et malfa en La forme, la taille et les matériaux utilisés diffèrent selon les pays. Celui du Niger est tissé généralement en, sans couleur, avec un rebord très large qui protège du soleil, avec une bordure de couleur euh, verte ou rose foncée. La couronne, c'est-à-dire la partie centrale du chapeau, épouse parfaitement la tête. Et dans la société traditionnelle au Niger, ces chapeaux de paille occupent une place de choix, particulièrement chez les paysans, notamment les cultivateurs, hmm. les éleveurs et d'autres personnes qui travaillent sous le soleil. Mais certains l'utilisent à des fins esthétiques comme accessoire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on le trouve euh, dans la mode nigérienne avec quelques retouches de modernité pour la sortir avec euh, des tenues, notamment euh, qui sont à la mode. Et je tiens à vous préciser que la forme la plus large de ce chapeau, c'est pour les Mexicains appelé sombrero. Ah, ça couvre jusqu'au dos. Ah. Là-bas, bon, ça fait partie de l'esthétique, ça fait partie de la culture. En tout cas, c'est pour les Mexicains, notamment en Amérique latine, qu'on le trouve assez répandu et ça s'appelle sombrero. Ils l'utilisent même pour d'autres fins, comme on l'a dit. Comme euh, ceux qui trichent avec euh, les jeux de cartes, ils ont des microscopes en bas, des trucs derrière qui peuvent regarder les cartes des autres pour les transmettre aux autres. Mais si tu mets ton sombrero, ça couvre.

kadde magara mayo ga kan iga dan hari bula bugu wala cire cire kan yanga furmora ka kafa yankan da cindo dai bindo kai na kan bongo furu ak sabu no dubura bongo kan aga di aga bongo di wano wana bore kan yanga na fanda gumo ga gati kawai bore kan yanga gwe gumo alfarai da kurkwai da bore dai kan yanga gwe wainara kin ga bombatun da waina dunga mm -hmm. amma ko korbande wora zamano kanda borega bore iga dan talamse nga kande ni dia bore kan yanga talam be fente ce bobo mm. dina bankare yante kan yanga koida igi ce cika bon fondiyante kan ganda bankare din gicer gana mm. da buran bankare din da bon fondo da igi ceddi aktiya talam hari mm. eh shi da faransa shini ga fakaira bore ga ci sandai bon fondo kan birin da bon fondo kulu Me, mexico bore yi no america latin kango da buran dan bora bandaro kuna kubai mm. nga wodo sina se kala sombrero oh. <laughs> ya ya mu tuguyen se zama an fondi nge chache te bor fo gor bandaga ni chache ze gun gici yare bora se oh. to din ni sombrero din dan bakan gon bandu kulkai hadde man ta bangam zonko mu dum di ko si ya kan ko te ni Merci Moussa et à très bientôt dans une prochaine émission. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez surtout pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je répète 82 89 89 64. Sinon, c'est le moment pour nous d'écouter nos auditeurs auditeurs qui nous ont envoyé des messages vocaux. nakar ibrahim mai shayi wai na harmun konni lalle rajo kulungu na kan sa satan bin da sulle hulle na zagara sa na hulle hulle wallahi sai ne gutun ta yani to ma sha ta wannan makai hannan gore wallahi kalta Allah fil shawata Allah wallahi zagara sa na hulle rajo kulungu ma na kuma sa samne sare amar da wulakin in sa saman na siyara hanan amar lumbun kuku at filingi ibrahim dubakar da makai hannan na sa hasa cidami cidami rumbun kuku sa tare da masa samun na radio waje sasa maza kuma le taraka rajin ku kullun sasa ya radio kalongu assalamu alaikum assalamu alaikum ni ce kan dan sarki dogon duci sai dai kalangu muna gaida ku kuma muna jin daɗin abin da duk kuka yi nan ina muku fata alheri ina muku gaisuwa da fata alheri mu dai na masu sauraron ku dare da rana kuma da na marece karfe biyar muna sauraron abin da kuka faɗi muna bai kusa da kawa ta shirye-shiryen tarbiyyar nan da kuka ta yi da bisa ga hilin sa yara makaranta da bisa hilin yara ƙanana bisa ga wajen uwaye kuma da hilin da kuka yi na matasa duk muna nan muna sauraron ku da balkisa da hawa ina gaida ku shirya kalangu sai an yi wani muhawara wallahi na ji daɗin ta na ji muhawara wajen tawa kuma na ji daɗin ta na ji muhawara wajen agaras kuma na ji daɗinta kuma na ji na talibiri kuma na ji cikin yamai na gode Allah saka da alheri anak sala aka da zawadin tsoxerende karci tumzgda ta hamada nisadar gana smugnu shiri wa ta tagi ne kullu na ta tan martna wa isak na duwar ta tan gotni na sanin na tiwana merar to yin ne kini wai za shiri ne da da de grazana tar khwan ne bida sankarci da ma ta ta na da sanin na ta da ta na na gashi gashin nakat tan kuma na taftana sanet jar me ganti mu durgi إذن كان رادي بتنشن النبدة كني سلان كلونجو تبارك الله أتبقى قند دسنا تسلي قصا كما سمو كنسان يسلان كما لنا المغنى ورقي بيه يو أطار حمون النادي ما شغان أروادا تبارك الله لنا قن وقراس عن المغنى يو تنام زليا تزدي التاريخني كلونجو تا كله لك تمن التاريخني تم قيمة هو لغنا بوتا لي دارات أدربي صنعها Voilà, euh, chers auditeurs, c'était là les messages vocaux qui nous ont été envoyés par vous-même. Euh, je pense que vous pouvez faire pareil comme ceux qui nous envoient régulièrement des messages vocaux. Alors, on va continuer, Rookie, avant d'accueillir euh, Rafika Atayer qui va nous donner, bien évidemment, les grands titres de ce soir. On va d'abord écouter de la musique. Et cette fois-ci, c'est l'artiste euh, Sadoubori, voilà, avec ses titre Badosa. 山があるセダンがある勾配ギラギラサーバシた de l'artiste Feu, l'artiste Sadoubori, chers auditeurs, Studio Kalangou, c'est aussi et surtout la grande édition du soir, les cinq journaux en langue et notre forum quotidien. Nous sommes avec Rafika Taher pour nous présenter les titres du journal. Bonjour Rafika. Bonjour Ruki, comment ça va Très bien. Alors, euh, c'est bientôt le départ euh, pour la Mecque des pèlerins du Niger. L'accomplissement du cinquième pilier de l'islam ne doit pas se faire à crédit selon un ouléma. Vous aurez des précisions à suivre dans notre édition de 17h. Ensuite, la population de la commune rurale de Fabrigi, dans le Dalol département du Bouboy, se sent menacée par la présence spontanée des girafes. Ces animaux s'en prennent au champ des explications du maire de la commune ce soir également. Et enfin, la partie magazine de ce soir va porter sur la sensibilisation des leaders religieux à l'intention des jeunes de la région de Tilabéry sur l'insécurité. Voilà, merci euh, Rafika pour... Euh, voilà les titres. <laughs> Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Ruki et moi-même Ali Munkela Ouseni Seno. À la technique, c'était Seini Isaka et Adamadawaki Adawaki à l'édition. Excellente journée à vous et à très bientôt.